La fièvre hémorragique de Lassa est due à un virus. Tene de tanenzir tashi nu Lassa ita get virus tawanu tada arena virus. Ma fela dashi nu Lassa we zawidi nien wai bazia zaran. Daga kalish nu Lassa yaha Nigeria inke dasi gani suwe. Inke ashamo tene de taha Nigeria. Ega iga chinet ikal ungil mamun unzawar ninken Guinée Sierra Leone. Ede gwaji tagwa kona ke gen len virus we. Ara to ita tene de zar virus. Isirlen daga kalawini. Ara to nishin tartit ne tedam irkalawn intagdamid yendiqarta winta tagginin inken ikoteyan inten tiqiswen alkhayaw winta hatetenede lmisal aqale kunta bazintinida fraganad tmigiran wiyad wurtila nazmay intenedetay daqmarda ijilwana hade arwa nazmay yaha edeg namiyiz ilantoetede ndaqayina indeda ijilo maro dasigis intelitana hade daqakal intogo tibaziteda wiyad tenedegarawnaudin itewte naqaf itikmanelam deda zuran artishtawanu daq francis asteni edas nelam idwanteyite aredas edas tulusua awdinila tekmawana surassan samalnasnat alaqet itagu ibasan disaktinin falidism alaqteda hestas fagu wiadigitan saksodnin inkem macha denzir inke dashtawnu teneditan nenzir turna labasa tatamota naqit uma surin kedewdin welad teneditan nibola turmada sitamagar anakadnet ndabaniyatin ndaba atafiga turmat dagawdin awduwataha maitwada safus tewginet examenatan itugdilwaduwataha awzulu itugdilya galik adintasinwataha teturna aro kulu waidas Ça veut dire ici, c'est la prévention qui est très importante.